Tchad, nous avons ba bataille euh, ak arrestation euh, comme ça, nous avons ko waxee bataille avec neen façon bi nga xam bataille rek Hassan Djouf, ko ki nga euh, Assane Diouf mun aussi l'arrestation du professeur Cheikh Marjani, Diagne Abdou Karim beaucoup de gens qui ont ne rek ñi ngi aussi parti au Pastef on parle de plus de 500 arrestations depuis les événements de mars dernier Nous avons comme l'État du Sénégal pour ne pas dire le régime du président de la République Macky Sall dafa commencer à def li nga euh, nettoyage et euh, la position de la société civile dans tout ça on wax médiation on nous parle de ça, nga xam appelle appel à l'apaisement non je n'appelle à, rien du tout ah j'appelle non j'appelle à la résistance et à la lutte c'est la lutte libère non non, j'appelle à la résistance et à la lutte c'est la lutte qui libère peuple am il amul ay toog waxtaan jamonoy waxtaan ak Macky Sall weesu nañ ko. Mhm. instant bi na jég jébbal lenge yi te may ñu. jamonoy waxtaan weesu nañ ko ah. parce que Macky waxtaanul waxtaanul. Mhm. day jàppe day tëjee day kase day imposer loolu la nekk di dox. Mhm. loolu la nekk di dox donc jamonoy waxtaan ñun weesu nañ ko fi ne nii moom Sénégal la lay waxtaan.

mais tu as du discours bi nga euh, ce discours va-t-en-guerre Non, ce n'est non c'est pas un discours va-t-en-guerre non c'est non non non c'est non non non au contraire dama ne dama euh, c'est pas un discours va-t-en-guerre c'est une réponse à ce qu'on m'a opposé Moi, man muy keneen qui Sénégal tout le monde est persécuté 500 personnes arrêtées ça veut dire qu'il y a plus de 1500 familles qui sont impliquées Quand tu ci jàppul frère jàpp nañ cousin wala ça on parle du Sénégal nous c'est nous dans nous. Hmm. cette série d'arrestations là. daawoo ko gis fudul ci ay holocauste nga ko doon dégg ay SSA yu yu Hitler yi nga ko doon dégg ci nazi ci jamonoy nazi yi nga doon dégg ces choses là wala nga dem dégg ay régime ay régime euh, xam nga Idi Amin ay Bokassa man ci yooyu laa doon dégg yi demee nii mhm. mais post like reetaan génn sa wax sa xalaat délit d'opinion délit de presse le sénégalais sont arrêtés ci côté bu nekk alors qu'il y a fii nga gis ministre bu taxaw ne nañ nañ wala député nañ nañ rendi Ousmane Sonko. Mhm. buñ ko rey réew mi du am jàmm nga gis ko taxaw ne jël leen ay jaas yi rey ñii. Mhm. tere a keneen ku ne di wax lu la neex te dara du leen ci fekk. Mhm. et puis ku féetee ci côté bi rek ñu la mais attends fan lañ jëm réew moo xamante ne ni suñ la waxee doomu président mooy sponsorisé ay wuyu ñu ne la madame ma ngay fu ñu waxee ñu ñu dentale ko ay bongo ak ay bongo man mhm. bu ñu président ñu ne moo recevoir ci pale bi ci sàccoon ay documents administratifs ñoo toog mu photo ak moom moo jël ki nga xam ne mooy le premier insulteur de la république jox ko salaire jox ko liggéey muy liggéey nekk fonctionnaire biir palais moo jëlaat beneen saagakat international indee ko France indi ko teg ko Sénégal muy continuer di saaga nit ñi mu photo ak moom kooku saaga ko saaga république bi. c'est ça ça la république. ça le pays Quand la ngay vous ak vous ak la vous de quoi est-ce que vous allez discuter de quel pays vous allez discuter l'avenir du Sénégal il n'est pas entre ses mains l'avenir du Sénégal il est entre les mains des Sénégalais pas entre les mains de d'un groupe groupuscule de gens ont depuis bi fini nous font que du mal Macky sont daf ñuy tëj daf ñuy le système, le, truc, le secteur privé est, est à genoux. Hmm. Les investisseurs privés, locaux, ñi sont ñu Les Sénégalais ils am investir au Sénégal. mais ñoom ñëpp investir C'est c'est